le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum de studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou tentera de répondre à la question faut-il croire à une reprise du dialogue politique inclusif au Niger la classe politique nigérienne, toute tendance confondue, entend lancer le dialogue politique inclusif. L'annonce a été faite le 30 octobre 2019 par le Premier ministre Brigitte Rafini, entouré pour la circonstance du président du MNSD Nassara Seynou du président du RSD Gaskia Amadou Chefou, représentant la mouvance pour la renaissance du Niger MRN au pouvoir, Amadou Ali Jibo Dimax, membre du FRDDR, de l'opposition politique et de deux représentants des non-affiliés. Une rencontre, il faut le dire, et une première depuis un bon moment car l'opposition a longtemps boycotté le Conseil national de dialogue politique. Par ailleurs, cette nouvelle euh, trouvaille intégrera des leaders de la société civile nigérienne ainsi que des observateurs ou témoins. Avec euh, nos invités, nous allons chercher des réponses sur euh, des questionnements comme pourquoi ce nouveau cadre Pourquoi l'implication des OSC, des acteurs de la société civile qui en principe ne cherchent pas à conquérir le pouvoir Que reproche-t-on au CNDP et quel sera son avenir Quelles sont les garanties pour euh, penser de nouveau à un dialogue constructif à même de relever les défis prochains, à savoir des bonnes élections générales au Niger Pour ce faire, nous avons dans ce studio à Bana Ibrahim du Modène Falumana, membre du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR, opposition politique. Bana Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Ambali Dodo, président du CPNP Africawa, président de la coalition des partis non affiliés au Niger. Ambali Dodo, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, nous avons Adamou Ide, secrétaire à la communication du bureau politique national du MNSD Nassara, un parti de la mouvance au pouvoir. Adamou Ide, bonsoir. Bonsoir, je vous tiens à distance. Je vous remercie. Je suis à l'écoute. Permettez-moi d'abord de dire bonsoir à Bana, j'ai perdu de vue, ça fait un moment. Je le félicite également pour le retour de leur leader au parti au pays. Merci, beaucoup, merci. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Adam pourquoi un dialogue politique inclusif au Niger Vous savez eh, très bien que à un moment donné, le Niger a connu une démocratie un peu débridée, vous le savez, du temps du RDA. Maintenant, après, on a assisté. Un peu, un débridé, ça veut dire Ça veut dire qu'il y avait la démocratie, on parlait de la démocratie, mais on étouffait les expressions, parce que les partis politiques n'étaient pas en vue. Il n'y avait que le RDA. Pourtant, c'était le multipartisme. Pourtant, c'était dans les textes la démocratie. C'est pourquoi je parle de débridé. Alors maintenant, avec l'ère des, conférences nationales, la démocratie a été réhabilitée, malgré souvent quelques connotations pseudo, parce qu'il faut parler de pseudo. Certains croient à la démocratie, ils en parlent sur le langage, mais malheureusement, euh, on ne respecte pas la démocratie. Donc voilà, maintenant, après cette ère de conférences nationales, on assiste en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, à l'ère des dialogues politiques. Vous, n'êtes pas sans savoir que l'expérience a été vécue, n'est-ce pas, au Cameroun. Ça a été vécu également au Bénin. Maintenant, on a vu que Abdou Diouf euh, Macky du Sénégal a fait des ouvertures. Donc c'est pour cette raison que le président euh, Issoufou, en tant que président de la CDAO, mène vraiment la lutte pour pouvoir faire le dialogue dans tous ces pays et que euh, les politiciens s'entendent. Vous voyez comment on a intervenu en Guinée-Bissau. Donc c'est tout à fait normal que celui qui pilote les conférences, euh, euh, celui qui pilote les dialogues, doit montrer dans son pays l'exemple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes fiers au Niger d'assister à une période où les politiciens vont se comprendre à travers les dialogues politiques. Adamou Idé, y a-t-il des actes posés qui expliquent l'amorce d'un dialogue politique inclusif au Niger effectivement, depuis un certain temps, on sent que le président Sissifou a fait beaucoup d'ouvertures. D'abord, euh, il a fait beaucoup d'interventions au niveau international, au niveau régional. Donc, euh, vous voyez, le retour du chef de file de l'opposition en est une euh, illustration, il faut le reconnaître. Maintenant, il y a les leaders qui se concertent avec la conférence des leaders. Donc, je crois que c'est le président Sissifou qui a instruit le Premier ministre pour ébaucher les démarches. Donc c'est tout à fait normal qu'on dise que, en tout cas, il est à l'avant-garde de tout ce qui se passe à travers ce dialogue politique au Niger. Je pense, à mon sens, moi. Je ne sais pas ce que pensent les autres. Adam Ouide, quelles sont les chances pour euh, la relance euh, du dialogue euh, à nouveau amorcé, mais sous un autre format qui implique de nouveaux acteurs Non, il n'y a, pas de problème. Maintenant que le jeu est lancé, il faut appeler toute la classe publique et politique à l'unisson. Je crois que de part et d'autre, les gens doivent se faire des concessions, n'est-ce pas, et assister à ce dialogue politique, malgré peut-être quelques incompréhensions de début. Et je crois que c'est des incompréhensions qui seront levées au fur et à mesure. Quand on va dérouler l'événement, je pense que eh, parce qu'on dit, on dit en, toute chose, hein, et, je vous le dis, Studio Kalangou, je le répète, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Mais il y a deux personnes qui ne se parlent pas. C'est-à-dire que la discorde n'existe qu'à l'absence du dialogue. Je pense que quand, entre deux individus, il y a le dialogue, alors la compréhension est à côté. Et je pense que toutes les voies sont ouvertes pour que les politiciens nigériens se comprennent. Adam au OMNSD, vous êtes optimiste Nous sommes très, nous avons toujours été optimistes. C'est-à-dire que le MNSD n'a jamais été un parti pessimiste. Le MNSD a été toujours un parti prêt à l'optimisme, un parti prêt au dialogue, un parti prêt à des ouvertures, un parti prêt à ce que toute la classe politique se retrouve et s'entende. Vous savez, le MNSD Nassara est un grand bastion de la politique nationale, il faut le reconnaître. Le grand Baobab, n'est-ce pas, a beaucoup œuvré dans la politique nationale. C'est pourquoi nous, nous sommes optimistes et nous appelons les autres à être optimistes comme nous. Bana Ibrahim, au niveau du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR, quelle est votre lecture au sujet de ce dialogue politique inclusif au Niger Merci euh, Mokhtar et merci au studio Karangou de cette opportunité, encore une fois, que vous nous donnez euh, de débattre euh, sur la situation politique de notre pays. Au niveau du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, euh, cela fait environ 3-4 ans depuis les élections générales de 2016 euh, qui se sont tenues dans les conditions que tout le monde sait, que nous avons fait du dialogue politique inclusif notre credo. Nous avons déploré le dévoiement du CNDP par le régime en place, à lieu et place d'un cadre consensuel de prise de décision politique, le CNDP était devenu une caisse de résonance du parti au pouvoir, le PNDS en l'occurrence. À partir des élections 2016, un peu avant d'ailleurs, l'opposition avait décrié la méthode euh, de travail au sein du CNDP. Et après, euh, nous avons continué à adopter la posture de dire qu'il fallait une euh, refonte du Conseil national du dialogue politique qui, je le rappelle, a été mis en place lors, euh, au moment du régime du MNSD Nassara à partir de 2004, avec un mode de fonctionnement bien établi et avec un des objectifs qui étaient très clairs, c'est éviter euh, de, créer les conditions d'une crise post-électorale dans notre pays ou bien une crise politique qui est préjudiciable au développement euh, du pays. Donc, au niveau du FRDDR, depuis 2016 et les élections contestées, nous avons toujours dit qu'il fallait que les politiques se retrouvent autour d'une table et discutent entre eux, voir non seulement la, les questions purement électorales, mais également jeter un regard sur la gouvernance de notre pays dans un contexte déjà que tout le monde savait difficile parce que euh, après euh, les attentats, les premiers attentats de notre pays ont commencé sur le plan euh, sécuritaire en 2014, 2013-2014. On savait que notre pays allait être confronté à des difficultés énormes, en plus de celles qu'on connaissait déjà. Nous avons dit que nous n'avons pas le droit de vivre dans une situation de cristallisation de la vie politique où les différentes, euh, les différentes composantes de la vie politique étaient en constante guéguerre. Cela ne pouvait pas permettre à notre pays de sortir de l'ornière. Et nous avons appelé tout le temps à une refonte du CNDP, du moins dans son fonctionnement. Qu'on revienne, qu'on mette des mécanismes clairs qui rappellent le principe de consensus dans la prise de décision. À l'époque, on ne nous a pas écoutés. On a pensé qu'on pouvait conduire et le processus <laughs> électoral et la gouvernance en laissant de côté euh, tout, un pan de la société que représentait à l'époque déjà au début l'opposition et les non-affiliés. Après, les non-affiliés ont réintégré le CNDP. Mais nous, nous avons maintenu la constance de dire qu'il ne sert à rien d'aller dans un Conseil national de dialogue politique où le mode de fonctionnement a changé. Donc, selon vous, il faut repenser le CNDP Ça, c'est clair. Jusqu'à aujourd'hui, là où nous nous, nous entendons même pas, c'est que pour nous, il n'est pas question d'aller au CNDP. Donc, nous avions, à toutes les fois où nous avions été sollicités pour venir aux réunions du CNDP, nous avons décliné au motif qu'il fallait d'abord qu'on s'entende sur ce que c'est que le CNDP, comment il doit fonctionner. À notre euh, grand étonnement, mais qui n'est pas en réalité un étonnement, nous avons perçu il n'y a pas longtemps donc euh, la volonté affichée du président Issoufou Mamadou et du premier ministre Bidji Rafini d'aller vers comment on appelle un apaisement du climat politique et nous avons répondu puisque c'était notre demande depuis 2016. Donc c'est ce qui explique que jusqu'au jour où on était parti voir euh, le Premier ministre, nous étions convaincus, et nous le restons, que le salut pour le Niger dans la situation actuelle c'est de créer les conditions d'un apaisement de la vie politique, des conditions d'organisation d'élections saines et incontestables, de manière à éviter à notre pays de tomber dans les travers d'une crise post-électorale qui viendra s'ajouter déjà à une crise sécuritaire extrêmement préoccupante. Donc nous, nous sommes preneurs de ce dialogue. Donc nous sommes, comme l'a dit euh, euh Adam aussi optimiste parce que nous sommes convaincus que c'est la seule voie de salut pour notre pays. Bana Ibrahim, ce dialogue politique inclusif prôné par l'exécutif nigérien intervient après l'échec des tentatives de révision consensuelle du code électoral. Pensez-vous que ce point fera l'objet de discussion Écoutez, déjà que au, début, les bases qui ont été jetées, vous avez vu l'arrêté qui a été pris par le Premier ministre évoque la question des élections. Quand on parle de la question des élections, on parle de tout le processus électoral, à commencer par le, le, code électoral consensuel, une CENI consensuelle, euh, une DIFEB consensuelle. Donc, pour nous, quand on parle des élections, ça englobe tout. Donc, et, euh, nous pensons que dans l'esprit des autres partenaires également, il en est euh, de même. Donc nous sommes convaincus que lorsqu'on s'assoira autour d'une table, évidemment que nous aurons euh, un consensus autour de toutes ces questions. Ban Ibrahim, au jour d'aujourd'hui, quels sont les obstacles ou encore les difficultés pouvant entraver la bonne réussite de ce dialogue politique inclusif Je voulais, avant, c'est ça, pour répondre à votre question, rappeler qu'il y a eu déjà une première tentative d'ouverture avec la mise en place d'un comité ad hoc euh, auprès du Premier ministre qui était composé de, trois grands blocs l'opposition, les non-affiliés et la, majorité. pour essayer de toiletter les textes et faire. Donc, il y a eu une première ouverture avec un échec. un, échec. un échec à la fin, parce que on s'est rendu compte que les personnes qui avaient été mandatées par les différents partis n'étaient pas décisionnaires. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, les décisions qui étaient prises, qui étaient censées normalement être euh, opposables à tout le monde, euh, à l'issue de lorsque le rapport est adopté, à la fin on s'est rendu compte qu'il y avait dans les états-majors politiques des personnalités qui n'ont pas donné avec sincérité un mandat à ceux qui les représentaient. Donc c'est ça l'échec. Aujourd'hui, pour éviter tous ces écueils, et l'écueil que le dernier écueil, l'opposition politique à demander l'implication personnelle du président de la République. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés entre euh, l'exécutif représenté par le Premier ministre et la mouvance euh, au pouvoir qui remettait parfois en cause la bonne foi réelle ou supposée du Premier ministre. Nous avons dit pour éviter ces atterrements, il fallait que le premier magistrat du pays donnât euh, un cachet particulier à l'amorce du dialogue. On n'a pas dit qu'il descende dans l'arène pour participer au dialogue, mais au moins que l'opinion publique nationale et internationale soit le témoin qu'il est euh, le parrain de ce dialogue, le parrain moral de ce dialogue. Donc nous avons demandé une implication personnelle du président et nous avons aussi demandé à ce qu'au-delà des questions électorales... Donc ce n'est pas anticonstitutionnel Ce que vous demandez Non, pas du tout anticonstitutionnel, le président de la République, il est euh, le garant du fonctionnement normal des institutions, il est le garant de l'indépendance du territoire et tout se comprend. Dans le cadre de ses activités, il peut prendre un acte, puisque cela, je rappelle que cela a été le cas au Sénégal, cela a été le cas au Bénin, cela a été le cas au, Cameroun, où c'est le président de la République qui a mis en place le cadre de dialogue qui a permis, de, de, dans certains cas, comme au Bénin, euh, de désamorcer, de serait-ce que de manière euh, provisoire, la crise politique. C'est le cas au Sénégal également, où aujourd'hui le, climat politique est devenu un peu plus détendu, et on l'espère aussi le cas au Cameroun. Donc pour nous, il n'y a rien d'anticonstitutionnel dedans. Le président de la, euh, République est dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives en créant les conditions d'un dialogue politique inclusive de notre pays. Ambali Dodo, avec euh, toutes euh, les divergences qui durent depuis plusieurs années, qu'est-ce qui garantira une reprise du dialogue politique entre majorité et opposition Merci beaucoup. Alors, euh, le dialogue politique, c'est une fonction très compliquée. Surtout quand vous prenez les enjeux politiques aujourd'hui qui se posent au niveau de chaque groupe. Alors, euh, pour le cas du Niger, la garantie essentielle, c'est la fidélité des acteurs politiques. Alors, du moment où nous avons constaté que les acteurs politiques ne se font plus confiance, alors il faut qu'on restaure cette confiance-là. À travers quoi Et depuis 2016, euh, nous avons fait un plaidoyer pour pouvoir euh, résorber définitivement cette crise politique. À travers ce plaidoyer, nous avons proposé quatre principales étapes. Dans la première, c'est la décrispation du climat, de l'environnement sociopolitique. La deuxième, ce pas, donc, c'est la mise en place des lois électorales consensuelles, à savoir le code électoral, le code général des collectivités euh, territoriales, etc. La troisième étape, c'est la mise en place des organes en charge du dialogue politique et en charge des questions électorales, et cela de manière consensuelle. Et enfin, la quatrième étape, c'est la gouvernance politique et administrative. Donc si ces quatre étapes-là sont respectées de manière et eh, méthodique, comme nous le disons, et de manière euh, périodique, alors nous pensons qu'aucune eh, situation aléatoire ne peut venir entraver le déroulement d'un dialogue, n'est-ce pas, au sein de la classe politique nationale. Alors, bon, pour la question de la confiance, effectivement, l'opposition a eu à faire euh, des reproches, n'est-ce pas, euh, surtout par rapport à l'arrêté que le Premier ministre avait pris pour la création du comité. Alors, euh, ces reproches, nous estimons que pour certains sont fondés, pour d'autres, pour une question d'intérêt national, je pense bien on peut les mettre de côté le temps qu'on se retrouve dans le cadre de la rencontre des grands leaders. Je crois bien que c'est une euh, instance qui peut proposer des solutions, n'est-ce pas, donc à tous les problèmes qui peuvent miner le dialogue politique euh, ici au Niger. Donc, pour l'ensemble des obstacles que nous avons relevés et que l'opposition a relevés, la meilleure instance pour les régler, je crois bien, c'est de demander la rencontre des cinq grands leaders de chaque groupe. On peut, en deux heures de temps, s'entendre, je crois bien, sur l'ensemble de ces préalables-là et voir les conditions dans lesquelles on peut relancer ce dialogue politique. Donc tout, est, tout tourne en réalité autour de la confiance. Alors, pour l'implication du président de la République, euh, nous sommes d'accord que son implication peut rehausser l'image, la qualité du dialogue politique. Ça peut de manière euh, juridique crédibiliser également les conclusions issues de ces rencontres. Alors, à l'instar des pays que Bana vient d'évoquer, pour le cas du Niger aussi, nous ne voyons pas d'inconvénient pour que le président de la République, n'est-ce pas, prenne cette question du dialogue politique euh, sous sa responsabilité, qu'il crée les conditions juridiques et même politiques pour que ce dialogue la tienne le plus tôt possible. Parce que son implication peut donner de la motivation à tous les acteurs, ça peut nous convaincre par rapport au sérieux de ce dialogue-là. Et ça peut même convaincre l'ensemble des citoyens nigériens, l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Niger. Et cela peut permettre au Niger de bénéficier d'une stabilité sociopolitique durable. Donc c'est pour cela nous lançons un appel euh, direct, n'est-ce pas, donc à l'endroit du président de la République pour qu'il accepte de s'impliquer dans cette question du dialogue politique. Un autre appel à l'endroit de l'opposition politique elle aussi de son côté, pour qu'elle euh, fléchisse un peu, pour qu'elle se euh, refroidisse un peu, afin que le climat devienne de plus en plus stable. Parce que des fois, en durcissant le temps, en durcissant la position, ça peut créer des entraves. À partir de la conférence de presse du 3 octobre que nous avons tenue, si aujourd'hui ce comité avait été mis en place, on serait pratiquement à la fin des travaux. Le Niger aurait pu gagner dans le temps et surtout dans la pertinence des recommandations qui découleront des travaux que nous aurons tenus lors de cette conférence des leaders. Donc c'est pour cela qu'il faudrait qu'on mette un peu, n'est-ce pas, donc de l'eau dans notre lait pour que ce Niger-là retrouve, n'est-ce pas, donc ses lettres de noblesse à travers un dialogue politique serein. L'implication de la société civile et des syndicats, ça représente, n'est-ce pas, une réponse au préalable posé par l'opposition politique. Et nous étions très fiers et satisfaits de constater que de l'autre côté, la majorité politique n'a pas posé d'obstacle par rapport à l'acceptation de la société civile. Voilà, de la société civile et des syndicats. Donc c'est un pas de gagner. Alors à partir de ces acquis, l'opposition doit se dire que c'est elle qui a tout au plus à gagner, plus que tout le bloc, dans, à travers ce dialogue politique. Donc il faut qu'elle se réorganise davantage. Il faudrait qu'elle cadre parfaitement, n'est-ce pas, donc ses objectifs par rapport aux objectifs généraux de toute la classe politique. Sans cela, elle risque d'arriver à un dialogue politique avec un retard, un décalage dans le temps. Parce que certains préalables sont dépassés. Nous sommes ici dans une situation de sauvegarde, de préservation, de consolidation des intérêts de la nation, au-delà des intérêts de chaque groupe politique. Donc si nous tous nous acceptons de porter nos regards sur ces intérêts de la nation, nous pensons bien que nous pouvons nous asseoir autour d'une même table pour nous regarder, n'est-ce pas, euh, chacun droit dans les yeux, et puis, n'est-ce pas, proposer des solutions consensuelles, acceptables dont les effets peuvent être durables pour nous permettre d'organiser les élections de manière inclusive et transparente. Voilà l'objectif principal que nous devrons tous accepter d'atteindre à travers ce dialogue politique. Ambali Dodo, la coalition des partis non affiliés a-t-elle une proposition particulière ou d'autres revendications au sujet de ce dialogue politique inclusif Évidemment, nous avons toute une montagne de revendications à défendre à travers ce dialogue. Le temps, le temps viendra où nous allons les exposer. Bon, pour le moment, nous préférerons, n'est-ce pas, donc euh, mettre en veilleuse certaines, mais pour d'autres qui sont pratiquement des revendications communes, nous pouvons les débattre dans le cadre de, pas, de ce forum-là au studio et Kalangou. D'abord, euh, en rentrant dans le code électoral, nous avons accepté sa révision et la dernière fois au sein du CNDP à travers les résultats ou les conclusions d'un comité ad hoc qui a été installé. Bon, malheureusement, ce comité a été, n'est-ce pas, animé par des représentants de non affilés qui n'ont pas été fidèles vis-à-vis de leurs camarades. C'est-à-dire, ils, ont, ils étaient partis avec un esprit purement alimentaire qui les a guidés à faire des deals à la fois avec la majorité et avec l'opposition. Et c'est ça qui avait accouché des conclusions qui ne nous ont pas permis d'avoir un niveau de satisfaction au-delà de 50%. Vous prenez par exemple au niveau de l'article 12, dans la répartition des représentants au niveau, n'est-ce pas, donc du bureau permanent de la CENI. Les non-affiliés se retrouvent seulement avec deux places, au moment où les autres ont cinq places. Nous sommes actuellement plus de 30 partis politiques, 32 partis politiques. Alors, par contre, quand vous prenez nos amis de l'opposition, ils sont eh, à peine 12 partis politiques. Donc, c'est cas, la représentativité doit être équitable. Si l'opposition et la majorité ont chacune cinq, nous devrons avoir également cinq représentants. Ça, c'est pour être juste les uns envers les autres. Vous, en continuant un peu plus loin, quand vous prenez, par exemple, au niveau eh, des élections, le couplage des élections présidentielles et législatives, ce couplage-là nous paraît franchement très nocif pour l'intérêt économique et financier du Niger. Ça engendre des coûts exorbitants et ça rend opaque, ça rend complètement compliqué le déroulement de, de, ce, de ce scrutin-là. Et on a toujours constaté lors des dépouillements des résultats électoraux, après les législatives et les élections présidentielles, on se rend compte que la publication des résultats, elle devient mitigée. Elle crée beaucoup plus de tensions. Or, il faut les découpler pour peut-être penser à un couplage des élections locales et législatives qui sont pratiquement de même nature et des mêmes enjeux. Alors, on peut aller plus loin en fouillant un peu dans le code pour voir, par exemple, au niveau de, euh, des élections législatives, le fait même de préconiser les listes régionales. Tout ça là, c'est des propositions des, des, des partis des non, affiliés. affiliés. Le temps viendra où vous verrez bien que c'est des propositions pertinentes si elles c'était prise en charge, en compte euh, initialement, et même lors de ce forum, elle permettrait inévitablement d'aboutir à des lois électorales pertinentes, efficaces et consensuelles pour l'intérêt du peuple nigérien. Adamou Ide, comment promouvoir, perpétuer et maintenir un dialogue permanent entre Nigériens eh, Merci de cette question. Mais je vous rappelle que pour perpétuer un dialogue au sein de la classe politique du Niger, le Niger a eu le secret depuis 2004. C'est le premier pays démocratique qui a initié, vous le savez, un dialogue politique. Le dialogue politique existait depuis 2004 et ça sert vraiment de vitrine pour les autres pays qui, d'une manière ou d'une autre, viennent souvent prendre des leçons, viennent faire école à notre démocratie. Maintenant, il faudrait faire fonctionner, n'est-ce pas, cette structure. j'ai entendu Bana en parler. C'est vrai, il faut être honnête parce qu'en politique, il ne faut pas s'aveugler et refuser qu'on vous dessine les yeux. Ça veut dire que nous avons compris qu'à un moment donné, eh, la structure de dialogue politique a été chancelante et break Donc il fallait que qu'on ajuste le tir. C'est-à-dire que la classe politique doit faire ses égaux et ses divergences pour se comprendre au sein de cette, de ce, de cette structure de dialogue politique. C'est ça qu'il faut. Surtout que maintenant, nous avons eu l'occasion de discuter, n'est-ce pas, en forme et en fond de la question, puisque le dialogue politique est déjà lancé, je pense qu'on va essayer de parfaire cette structure-là et qui, sert d'exemple à beaucoup de pays. Donc, c'est ce que je comprends par ce que vous avez posé comme question. Maintenant, c'est très simple. Puisque le président de la République a fait des ouvertures, tout à l'heure, vous avez posé la question aussi l'appellation que nous faisons au président de la République est anticonstitutionnelle, mais non, ce qui est anticonstitutionnel en ce qui concerne le président de la République, c'est d'appuyer un parti. Le président de la République est neutre. Et neutre, il est au-dessus de la mêlée, comme a dit la Constitution. Donc, il doit, n'est-ce pas, voir tous les partis politiques initier un dialogue. Surtout que lui, il est en fin de mandat. Donc, étant en fin de mandat, il doit faire en sorte que le Niger, qu'il a dirigé pendant dix ans, eh, n'est-ce pas, soit légué à quelqu'un, n'est-ce pas, qui est démocratiquement élu dans les normes. Voilà, et faire en sorte que ce dialogue soit un dialogue inclusif. Voilà ce que je pense. Adamou Ide, comment apprécier ou expliquer le comportement de certains internautes nigériens malgré les mises en garde du Premier ministre et du président du MNSD Nassara Senou Effectivement, Mokhtar, ça a été l'objet d'un débat, eh, n'est-ce pas, au niveau de Kalangou. On a fait un forum là-dessus. Moi, je suis contre les internautes, je suis contre les mensonges, je suis contre les fabriques hors du commun. Non, moi, je veux que la classe politique, au niveau de l'internaut de notre internaut là sache qu'il faut faire la décrispation. Et je crois que la décrispation est là avec euh, la sollicitation du président de la République, avec même son vœu. Moi, ne me parlez pas d'internaute. D'ailleurs, moi, je n'ai pas de WhatsApp, je vous l'ai dit la dernière fois, puisque j'ai la chair de poule quand j'entends certains mots, certaines déclarations, n'est-ce pas, certaines idées des internautes. Ça ne me plaît pas, en tout cas. C'est-à-dire, ma marque de fabrique ne me permet pas cautionner, n'est-ce pas, ces manières de faire. Non, vraiment, ce n'est pas de mon panache. Bana Ibrahima, quels sont les enjeux et les défis du Niger pour un climat politique apaisé Écoutez, les, enjeux, je pense qu'on les a tout à l'heure énumérés. Moi, je vous ai dit que l'enjeu principal, c'est que les élections à venir se tiennent dans un moment crucial pour notre pays. Parce que vous le voyez, euh, chaque jour avec son lot de morts liées aux actions terroristes, euh, les, euh, des secteurs sociaux de base qui sont à l'agonie. Donc, je dis que toute cette situation, le Niger ne peut pas se donner le luxe d'élections avec des conflits post-électoraux. Nous ne pouvons pas, parce qu'on a vu ce que cela a engendré dans beaucoup d'autres pays. Aujourd'hui, tout le, tout le monde est conscient que nous n'avons qu'un seul pays, qui est le Niger, et que nous, nous avons l'obligation de faire en sorte qu'après les élections 2020-2021, que le Niger soit un pays uni face aux grands défis de l'insécurité, grâce aux, grands défis du sous-développement. On est au, de, le défi du, développement, pardon. C'est ça le principal enjeu. Maintenant, tout à l'heure, je, reviens un peu sur ce qu'a dit mon président euh, Ambali, c'est que euh, l'opposition n'est pas le seul n'est pas, contrairement à ce qu'il a dit, n'est pas le grand gagnant. Parce que pour moi, le grand gagnant, d'abord, c'est le peuple nigérien. L'opposition est un pan du peuple nigérien, tout comme les non-affiliés et l'amour. Si demain, on arrive à apaiser le climat politique, c'est le Niger qui gagne. Maintenant, effectivement, comme il a dit, chaque parti doit, quand on va dans un dialogue, on doit faire des concessions mutuellement. On ne peut pas aller sur des positions figées et refuser de bouger, ce n'est pas du tout la posture que l'opposition entend avoir lors du dialogue, mais nous attendons également la même attitude du, pouvoir. Parce que, en réalité, moi, je ne parle plus du pouvoir parce que moi, dans ce que je suis en train de voir, j'ai comme l'impression qu'il y a deux, deux pouvoirs. Il y a au sein du pouvoir des personnalités comme le président il fout, euh, et le Premier ministre qui ont publiquement assumé leur rôle de moteur de la décrispation, de la sagesse. De la sagesse. Mais de l'autre côté, il y a des personnalités, peut-être que le dialogue politique ne, dérange, n'arrange pas. Parce que moi, nous. C'est votre avis Notre avis de l'opposition, on l'a dénoncé, c'est que tout ce qui a été fait, le processus électoral, c'était comme ouvrir un boulevard euh, à, à, à quelqu'un pour arriver au pouvoir dans des conditions euh, euh, euh, inamicales du point de vue politique. Aujourd'hui, tout le monde doit se dire que si c'est Mokhtar qui est élu dans des conditions transparentes, claires, acceptées de tous, tous les Nigériens seront obligés de faire bloc derrière Mokhtar pour défendre la patrie et mener la lutte pour le développement de notre. Nous, nous avons, c'est cela notre, notre vœu, tout le monde accepte que le dialogue, c'est pour le Niger et non pas pour l'opposition ou la majorité ou les non-affiliés. Bana Ibrahim, comment parvenir à des bonnes élections générales prévues dans un an Écoutez, les, élections, nous, nous, avons, <laughs> dit, lors des discussions du groupe dont le président Ambali parlait tout à l'heure, les élections, c'est important. Mais au-delà des élections, il y a d'autres choses plus importantes, à mon avis, qu'il faut aussi inclure dans le dialogue, que sont la gouvernance politique et les, questions comme l'accès, le libre accès aux, médias publics, comme l'amélioration de la qualité de la justice rendue. Parce qu'il faut rappeler que tout à l'heure, s'il y a, par exemple, il y a certains aspects de la vie publique, si ces aspects-là étaient pris en compte, peut-être qu'on n'aura même pas besoin du CNDP ou d'un cadre de dialogue. Parce que si la justice est rendue selon la loi et non pas pour les individus, si chacun a... C'est votre avis, Ibn Ibrahim Oui, oui, absolument. C'est notre avis. Nous pensons qu'il faut mettre l'accent aussi bien sur les, élections qui sont charnières pour un pays, mais également jeter un regard sur la, gouvernance de manière globale. Ambali Dodo, quelle pourrait être les risques euh, si de nouveau il y a blocage car la classe politique nigérienne est imprévisible Alors, en cas de blocage, les risques euh, vont être dommageables pour la vie même de la nation. D'abord, euh, il faut constater avec moi que le processus électoral au Niger est en train d'être conduit avec un retard très visible et remarquable. Donc, il faudrait qu'on rattrape le temps perdu. Donc, si ce dialogue-là traîne, cela veut dire que la CENI risquerait d'être dans l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais prévus. Et de réajustement à réajustement, on risquerait d'avoir des délais qui ne vont pas cadrer avec les normes constitutionnelles. Donc cela doit être pris en compte comme une contrainte majeure de la part de chaque groupe politique. Deuxième risque, si le dialogue traîne, alors on risquerait aussi d'avoir une divergence par rapport aux lois électorales. Il y a eu au moins deux révisions du, sur le code électoral. Alors, avec ce dialogue-là, on entend faire une rélecture, n'est-ce pas, de ces lois électorales pour aboutir à un consensus. Donc, si ce processus est bloqué, alors on se demande avec quelle loi électorale, n'est-ce pas, donc va-t-on aller aux élections. Troisièmement, risque majeur également, c'est au regard des défis, n'est-ce pas, qui se posent au développement de ces pays. Les défis sécuritaires, par exemple, les défis d'ordre économique et financier. Donc, au regard de toutes ces contraintes majeures, la stabilité sociopolitique constitue aujourd'hui un facteur fondamental qui explique et soutient le développement dans un pays. Donc si aujourd'hui le Niger est un, pays classé comme un pays sous-développé, c'est parce que le Niger a eu la malchance de connaître plusieurs crises sociopolitiques, de connaître une instabilité sociopolitique chronique, et cela remet en cause tous les efforts que l'État, n'est-ce pas, donc, est en train de fournir ou a fourni depuis plusieurs décennies, parce que l'État, c'est une continuité. Alors, il faudrait aujourd'hui pour la nouvelle classe politique qui va arriver au pouvoir qu'elle se dise que tant qu'il n'y a pas stabilité sociopolitique, même si elle arrive au pouvoir, elle connaîtra le même sort que le régime actuel. Alors, Ambali Dodo, comment améliorer, ramener une sérénité véritable au CNDP ou quel est l'avenir de ce CNDP avec la création d'un autre format impliquant la société civile alors, donc l'implication de la société civile euh, et des syndicats ne remettra pas en cause le format du CNDP, c'est-à-dire les acteurs ou les témoins nationaux élargis aux syndicats et à la société civile, c'est tout simplement à des fins, n'est-ce pas, donc, du partage de l'expérience. C'est dans une optique, n'est-ce pas, donc, de la recherche donc de l'amélioration de la qualité des débats politiques. Nous savons qu'il y a des grands acteurs de la société civile aujourd'hui qui sont des éminentes personnalités qui peuvent contribuer significativement au dialogue politique. Il y en a dans les syndicats, il y en a dans certaines associations, et leur présence peut permettre donc d'améliorer la conduite du, dialogue politique, puisque le dialogue est bloqué depuis 2016 entre acteurs politiques pour, le, pour dénouer, pour, n'est-ce pas, donc déparasiter cet environnement, il faut faire recours à d'autres acteurs tels que ceux-là que nous venons d'évoquer. Ce qui veut dire que le CNDP, même si son fonctionnement est révisé, ne voudra pas dire qu'on va inclure dorénavant ces acteurs. Mais ils sont utiles pour ces genres de conférences ou de forums que nous voudrons organiser parce que c'est un forum pour l'intérêt général du Niger, c'est-à-dire au-delà des enjeux politiques. Cela va permettre de stabiliser socialement et politiquement le pays. C'est pour cela que nous avons tous accepté à l'unanimité, n'est-ce pas, sur euh, proposition de l'opposition, que ces acteurs soient intégrés dans la conduite du dialogue politique. Donc le format du CNDP découlera du diagnostic sur son fonctionnement que la conférence la va tenir et ça découlera également des conséquences tirées de ce diagnostic-là. Donc l'un de l'autre, rassurez-vous que le CNDP ne disparaîtra. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul cadre de consolidation du dialogue politique. Et le CNDP n'a pas échoué en tant que tel. Mais en réalité, c'est les acteurs politiques qui ont échoué dans la conduite de ce CNDP. Mais en tant qu'organe institutionnellement créé, le CNDP a une utilité politique fondamentale qu'il faut préserver. Adamou Idé, quels sont vos conseils, recommandations pour le retour de la sérénité entre les acteurs politiques au Niger ben, Aujourd'hui, tous les observateurs de la scène politique nigérienne se rendent compte que depuis le déclenchement du processus de dialogue politique, il y a la sérénité au Niger. Je crois qu'il faut faire confiance au Premier ministre, il faut faire confiance aux leaders politiques, il faut faire confiance surtout au président de la République qui a jeté les bases de ce dialogue politique-là. Je crois qu'il ne faut pas désespérer. La désespérance n'est pas nigérienne. Il faudrait que, eh, effectivement, les gens s'y mettent pour faire réussir ce dialogue. Et comme l'a dit quelqu'un, il faudrait faire en sorte que le, dialogue politique est une pérennité. Le socle est déjà là. Mais moi, j'ai voulu même, vous savez, j'ai voulu même à une période, j'ai voulu dire qu'il faut que le CNDP soit constitutionnalisé. Parce que malheureusement, le CNDP n'est pas constitutionnalisé. Si le CNDP était constitutionnalisé, je crois qu'il n'y a pas de problème politique au Niger, puisque ce qui est une institution, doit être respecté par tous quand c'est créé par une loi et surtout une loi fondamentale. Voilà moi ce que j'espère. Je l'ai dit à des moments où j'étais dans l'administration et je crois qu'il est nécessaire qu'on pense à constitutionnaliser le TNP. Ce dialogue politique inclusif voulu et accepté par toute la classe politique portera sur les élections de fin 2020. Malgré l'échec des tentatives de révision consensuelle du code électoral euh, dans le passé, beaucoup de Nigériens estiment qu'il s'agit d'un signal positif. Face donc au climat sociopolitique aujourd'hui délétère euh, dans un contexte d'insécurité, chacune des parti est appelé à prendre de la hauteur pour aboutir à un consensus en vue des élections apaisées au Niger. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir au téléphone Adamou Ide, secrétaire à la communication du bureau politique national du MNSD Nassara, un parti de la mouvance au pouvoir. Bana Ibrahim du Modène Lumana, membre du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR. Et Ambali Dodo, président du CPNP Africawa et également président de la coalition des non-affiliés. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangu qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.